The forum du studio the forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, vous nous suivez en direct sur le studio Kalangou. Tout de suite, le forum du studio Kalangou. Il est 18h passé de 17 minutes. Nous sommes jeudi 3 novembre. L'actualité du forum s'intéresse aux conflits intercommunautaires. Hier encore, nous en parlions dans notre édition. Ce soir, nous revenons en long et en large sur les raisons de cette situation, les acteurs concernés et les moyens pour régler ces conflits. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Diallo, Mariama Kenda au micro. Bonsoir à tous. Nous revenons sur la situation à Bangui, région de Tawa, la localité où se sont produits mardi 1er novembre des événements tragiques nés d'une altercation entre un éleveur et un agriculteur. Le bilan de ces événements est lourd. 18 morts, dont 7 brûlés vifs, en majorité des femmes, des enfants et des vieillards. 43 personnes ont été blessées. Tou Ibrahim Gado, agent au téléphone le maire de cette ville, je vous propose d'écouter leur entretien. La situation vraiment c'est un, calme maintenant. On est dans un calme précaire quand même avec l'appui des forces de défense et de sécurité dans le village et la brousse encore les alentours. On parle d'arrestation. Pouvez-vous nous le confirmer Bien sûr, il y a eu des arrestations. Quand Avant-hier nuit, ils ont commencé jusqu'à toute la journée d'hier. Et même maintenant, ça continue. Parce qu'il y en a qui ont fui, quoi. Qu'est-ce qui ont fui Ah, ils sont nombreux, c'est ceux qui étaient concernés, euh, dont on connaît. Ils sont pas rentrés au Nigeria. Pourquoi euh, ils ont fui Ah, parce qu'ils se sentent menacés. Ils, ont, ils étaient dans l'acte quand même, c'est ça. Tout celui qui fuit, il sait qu'il a quelque chose à Mais la journée, il n'y a pas de choses. Pouvez-vous nous parler de l'état d'esprit au sein des deux communautés, celle des éleveurs et celle des agriculteurs actuellement Actuellement, nous, euh, contrairement à la rencontre qu'on a eue avec le maître de l'Intérieur, pour nous, nous considérons cela comme euh, de l'histoire que nous avons classée et nous sommes en train de sensibiliser notre communauté pour que vraiment qu'il n'y ait pas de représailles. Et de l'autre côté, on a instruit le chef du canton et autres de sensibiliser ses administrés pour qu'il est quand même un certain apaisement. Et nous avons demandé quand même le maintien de quelques éléments des forces des armées pour au moins une semaine afin qu'on puisse eh, finir cette, sensibilisation et que tout soit gardé les normes. Dites-nous comment comptez-vous sensibiliser à travers quels moyens À travers nos chefs de village et un comité qu'on a formé pour pouvoir euh, faire cette sensibilisation et puis les presses, tout ça là, donc vraiment qu'on est en train d'utiliser pour vraiment sensibiliser ces deux communautés à la retenue. C'est ça. C'est des choses qui datent des décennies, ça même, c'est pas maintenant comme cette chose est arrivée là par Chétan, tout ça là, des gens drogués autres qui sont allés massacrer les, les femmes, les enfants et les vieillards. Vraiment qu'on va essayer d'être encore trop méchants entre nous-mêmes. C'est pas bon j'appelle vraiment la population au calme chaque fois. Tout ça, c'est arrivé par certains meneurs qui sont excités. Ils ont excité les gens, ils les ont drogués, ils sont partis faire tous ces massacres. Nous avons quand même mis la main sur tous les responsables de cette euh, euh, tuerie-là, ceux qui ont autorisé et ceux qui sont euh, pris les, mains dans le sac. À cet effet, quelle initiative avez-vous prise ou comptez-vous prendre pour calmer C'est la sensibilisation la seule initiative et puis l'appui quand même du gouvernement pour assurer la sécurité de la population. Et une sorte de dissuasion que les forces de l'ordre et de sécurité doivent aller pionner la commune quoi, pour une certaine dissuasion. En attendant, le ministre de l'Intérieur était venu déjà. On était jusqu'à 23 heures ici avec lui. Il a tenu des propos vraiment qui calment les esprits et puis qui, qui font peur à ceux qui font ces actes. Le ministre de l'Intérieur a été très franc. Hein parler d'un langage franc et honnête, soi-disant tous ceux qui sont auteurs de ces actes seront punis sévèrement. Est-ce qu'ils ont commencé la punition La punition, c'est la justice. La justice, euh, c'est à elle maintenant de rendre justice. Parce que l'impunité, c'est ça qui crée certains problèmes. Nous avons vécu des événements qui n'ont pas été punis au Niger et voilà les conséquences. Et cette fois-ci, je sais que le gouvernement a pris conscience et vraiment, c'est une affaire qui a touché tout le pays. Hein. C'est déjà jamais vu. Le maire de la localité de Bangui, joint au téléphone par Tour Ibrahim Gado. Sur cette question de conflit entre agriculteurs et éleveurs, notre reporter Abdoulaye Mamoudou a interrogé Aruna Barchi. Il est membre de l'AREN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger aren Il déplore ce qui s'est passé hier à Bangui et exige que toute la lumière soit faite. Écoutons-le. Aruna Barchi a été joint au téléphone ce matin. Nous sommes navrés d'avoir entendu ce genre de situation survenir dans une ville. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens s'acceptent dans une certaine mesure pour pouvoir euh, juguler un certain nombre de conflits qui arrivent tous les jours. Parce que ici, il s'agit d'un conflit banal entre un agriculteur et un éleveur. Et au lieu que ça soit géré par les voies les plus autorisées, il y a eu un certain mouvement, et une rencontre d'agriculteurs qui ont bien voulu se rendre justice. Et ça, de manière la plus méchante possible. Parce que au début, ils avaient poursuivi l'éleveur. Ils ont buté à un certain nombre d'éleveurs qui, étaient vraiment préparés pour les affronter. Bon, ils ont rebroussé chemin. Ils sont venus au marché le jour du marché de Bangui. Et là, ils ont choisi, puisque dans tous les cas, c'est une ville, hein, puisque c'est le chef-lieu de la commune. Ils ont choisi du tout les qui est comme habitation des peuples. Ils sont mis à mettre du feu et à tuer. Ils ont tué plus d'enfants que de femmes, que tout autre. Et c'est ça la situation. Donc c'est une question d'inacceptation de l'autre par rapport à cette situation. Vous venez de dire que ce conflit devait être réglé par les voies les plus autorisées. Selon vous, qui sont ces voies vous savez, un cas de dégâts champêtres, il y a un comité qui est mis en place par les textes. C'est la loi qui le dit. Et ce comité constate le dégât et, essaie de voir les dommages pour pouvoir amender l'auteur pour réparer les dommages à, celui qui les a subis. Et ça, ça doit être euh, vraiment de la manière la plus équitable que possible, puisque le comité comprend tout le monde, éleveurs, agriculteurs, services techniques, tout le monde en fait. Donc c'est comme ça que ça devrait se poursuivre. Maintenant, lorsque ça va vers un aspect pénale puisqu'il y a eu bagarre, coup, de, coup et blessure, là aussi la justice devrait être saisie immédiatement. Donc les forces de l'ordre comme la gendarmerie devraient se mobiliser pour pouvoir arrêter les belligérants afin qu'ils se présentent devant les juridictions pour que la, la sentence soit prononcée de manière proportionnelle à la force. Euh, vous êtes membre d'une organisation qui travaille dans le cadre du pastoralisme. Selon vous, c'est quoi la cause euh, de ces conflits Bon, vous savez, normalement, la cause c'est l'insécurité foncière. Je dis bien normalement. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de l'insécurité foncière. Ça va vraiment dans l'intolérance pure et dure. Je dis bien dans l'intolérance pure et dure. Puisque s'il y avait la tolérance minimale qu'elle soit, il y a eu dégâts Saint-Patrick. Il y a eu bagarre entre deux individus. Les deux sont bagarrés, il y a eu un blessé. Il n'y a pas plus facile que de chercher celui-là qui a frappé plus pour le mettre, à, le mettre hors d'état de nuire et que la vie continue. Au lieu de venir au marché, c'est des gens qui sont sédentarisés, hein. parce que les gens de la ville, c'est des élèves pour certains qui sont tués. Venir brûler les cases et puis voilà. Donc c'est ça tout le problème. Cette, cette gestion telle que prônée par la loi n'est pas en train d'être euh, exécutée telle quoi. Ça veut dire que les gens ne respectent pas la loi. Du tout. Et moi, je dénonce surtout le laxisme des autorités administratives et même coutumières de la zone. Je déplore également la passivité des forces de défense et de sécurité, puisque dans la ville où les événements ont fait plus de carnage, environ 18 morts, il y a un corsariat. il y a des gendarmes chaque jour de marché, il y a la douane. Donc il y a toutes ces forces-là. Le minimum, c'est quand même de protéger ces gens-là qui sont en danger. Et ils l'ont pas fait, jusqu'à 18 mois. Voilà, je dénonce aussi cette partie du que fait votre structure pour ramener la quiétude dans ce genre de situation Maintenant, nous sommes en train d'aller sur le terrain. Ce que nous faisons, tout, dans tous les cas, ces informations que nous avons reçues de nos représentants de là-bas, et nous sommes en train d'aller sur le terrain. Tout ce que nous faisons, c'est de conseiller pour que justice soit rendue. Il faut que vraiment tous ceux qui sont impliqués dans ce carnage soient sanctionnés avec la dernière énergie. Ça, nous allons tenir à ça et nous allons vraiment suivre ça de manière la plus transparente possible. Si nous voyons que l'administration judiciaire tang ou bien l'administration même tang à, faire le travail tel que ça se doit, on peut employer le service d'un avocat pour défendre les plus Ça, on va le faire, Selon vous, comment doit-on faire pour euh, mettre fin à ces récurrents conflits moi, je pense que pour mettre fin à ce récurrent conflit, il faut que ces auteurs auteurs soient sanctionnés avec la dernière énergie pour que les autres voient, voilà, si je fais ça, c'est qui m'attend. Il faut vraiment que tous les auteurs soient pris et sanctionnés avec la dernière énergie. Il faut vraiment une véritable campagne de sensibilisation pour que les gens sachent qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Il faut qu'il y ait de la tolérance entre les communautés, non pas par rapport à leurs activités qui sont différentes, mais aussi en tant que communauté qui vit toujours ensemble. Ça, nous tenons à cela et en faut que la loi soit connue par tous et qu'elle soit appliquée à tous ceux qui marchent sur un certain nombre d'articles de, de la loi. Que fait votre structure pour prévenir ce genre euh, de conflits intercommunautaires Concrètement, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain Nous, nous menons des ateliers de sensibilisation et des forums de sensibilisation sur les textes qui régissent le monde rural, comme la loi sur le pastoralisme, comme le code rural, tous les textes, pour montrer aux gens les voies à suivre lorsque telle ou telle autre situation arrive. Ce n'est pas la peine de penser à se rendre justice. Voilà comment la personne doit faire pour pouvoir accéder à ses intérêts si on soumis, si aussi on a commis un, tort. Donc c'est ce que nous faisons et on le fait par des sensibilisations au sein des forums et au, des, différents ateliers. Ça nous le faisons toujours et même dans un certain nombre d'organisations de, de fêtes auxquelles nous participons et que nous organisons souvent. C'est ça que nous faisons. Parce que tout ce qui n'est pas dit par la loi n'est pas bon. Donc il faut vraiment que la loi soit appliquée par rapport à toute la gestion des ressources naturelles c'est par rapport aussi à l'acceptation de l'un par l'autre. Cette loi sur le pastoralisme, selon vous, est-elle euh, suffisamment vulgarisée La loi sur le pastoralisme a été acceptée en 2010. Elle est en train d'être vulgarisée, elle n'est pas suffisamment vulgarisée. Et le problème auquel elle est confrontée, c'est qu'on devrait prendre des décrets d'application au nombre de 14. À la date d'aujourd'hui, c'est seulement 7 qui sont pris. Et encore pas les plus importants. On a choisi les moins importants pour, pour les prendre. Donc c'est pour dire que la loi est vulgarisée, mais pour l'appliquer, il faut véritablement des décrets d'application. Et des équipes d'application, il y a sept qui manquent à l'appel aujourd'hui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Aruna Barchi, membre de l'AREN, l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Direction tout de suite à Agadez euh, où ces conflits concernent particulièrement les éleveurs Touareg et Peul. Le collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN, joue un rôle très important dans la gestion de ce conflit. Notre correspondant d'Agadez à Agadez, Moussa s'est entretenu avec Oumarou Yeli, président CAPAN Agadez. Généralement, les conflits intercommunautaires se passent entre les agriculteurs et les éleveurs. Mais ici, c'est Agadez, sa particularité, c'est entre éleveurs et éleveurs. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs ici, il y a des maraîchers, mais le côté maraîcher, euh, il n'y a même pas d'éleveurs. Donc ce, conflit se tourne en tout cas entre les éleveurs, surtout les fonçages de puits, le ramassage de paille ou d'utilisation de ces puits. Voilà où ce conflit débute. Ça concerne qui ce conflit C'est entre les Touaregs et les Peuls. Parce que des fois, quand les Peuls veulent foncer des puits, avec ces Touaregs, il y a des problèmes, surtout avec l'histoire des terroirs. Parce que c'est le problème crucial ici. Quand ces Peuls veulent foncer des puits, ils ne connaissent pas l'affaire de terroir, demander, ou je ne sais pas, l'autorisation à partir des communes pour que les autochtones autorisent le fonçage. Et maintenant, voilà ce qui fait que quand l'éleveur vient, il veut foncer un puits sans cette autorisation, donc le propriétaire ou le gars du terroir va s'opposer et ça sera un conflit. Donc ça, il y a ce conflit. Le deuxième, encore, c'est le ramassage de paille. C'est quand encore des éleveurs qui, ici maintenant, par manque peut-être de cheftel ou qui disent que peut-être c'est pour un peu améliorer le revenu du ménage, vont pour ramasser la paille. Là aussi, il y a des conflits. Il y a eu plusieurs même ici, surtout à Gadez. Parce que quand tu vas dans le terroir de quelqu'un, tu veux foncer un puits ou tu veux ramasser de la paille ou utiliser cette paille, normalement, tu devais utiliser le bon chemin, peut-être à partir de la commune, où les autorités vont s'interposer et maintenant montrer selon les textes comment est-ce qu'il faut aller avoir cette autorisation d'aller foncer le puits ou d'aller pâturer dans cette zone ou aller, je ne sais pas, ramasser la paille dans, dans cette zone, selon les textes. Nos frères, je ne sais pas, de la communauté Peul n'arrivent pas à faire ce chemin et que les autres aussi, qui se sentent brutalisés dans leur terroir, étant encore des ignorants la plupart, ça peut amener des conflits. Mm, donc, monsieur Eli, euh, quel est le rôle que votre association joue dans le règlement de ce conflit Pour notre part, le collectif Kapan, comme nous avons des coordinations au niveau de presque trois départements au niveau d'Agadez, parce que nous avons euh, ici la région d'Agadez, c'est le département d'Aderbisnat, Ingal et Tirozérine. C'est là où il y a les éleveurs. Parce que dans l'Aïr, il n'y a que des maraîchers. En tout cas, on dit y a ceux qui font leur petit élevage, mais ne sont pas vraiment des éleveurs. Donc, nous, notre rôle ici, c'est d'aller sensibiliser. Parce que chaque fois que nous interposons, nous, utilisons des occasions comme la cure salée, ou euh, à partir de Niamey, même c'est le président national qui vient avec le ministère de l'élevage et nous utilisons d'abord cette occasion pour sensibiliser les éleveurs. Mais à part cela, selon nos coordinations aussi, de temps en temps, nous nous déplaçons. Nous faisons des caravanes de sensibilisation pour attirer l'attention de nos frères éleveurs, qu'ils soient Peul ou Touareg. Nous leur démontrons qu'il faut vraiment cohabiter. Et cette cohabitation, c'est quelque chose qu'ils devaient penser depuis les temps anciens. C'est pas euh, la nature de, tout cas, en tout cas entre nous, il n'y a pas de problème. Donc, Kapan utilise vraiment tous ses outils pour faire comprendre à ses éleveurs, les sensibiliser, en tout cas pour éviter les conflits. Parce que vraiment, toute chose, il faut régler ça d'une manière consensuelle ou aller vers l'autorité. Il ne faut pas se faire justice. Chaque fois, nous faisons comprendre cela à nos frères éleveurs. En tout cas, Kapan vraiment fait de son mieux. monsieur Eli, euh, parlez-nous de ce système, le système ranching. Bon, pour le système ranching, Vraiment, c'est un système qui devait être utilisé pour l'élevage nigérien en général. Mais c'est encore en général tous les pasteurs nigériens qui n'arrivent pas à comprendre cela. Parce que l'élevage devait être une mamelle économique du pays. Mais seulement, selon que les éleveurs n'ont pas tellement bien compris, cela n'a pas été vulgarisé. Je ne sais pas, par les services d'élevage, par peut-être toutes les associations d'éleveurs, ou je ne sais pas, tous les leaders. Donc, les pasteurs ici au Niger n'ont pas compris l'importance du ranching. C'est quoi l'importance de ce ranching C'est pour avoir un bon élevage, c'est-à-dire un élevage extensif. Il faut faire le ranching. Parce que quand il y a un petit nombre de cheptels, tu peux très bien, ce qu'on appelle le garder, tu peux très bien en tout cas l'utiliser et que ça sera plus bénéfique que toi que d'avoir cet élevage qui est intensif, avoir beaucoup de têtes et que quand l'année devient une mauvaise année, c'est fini. Tu peux, ça peut décimer tout ce cheptel. Tu n'as même pas de quoi prendre en charge ta famille, ton ménage. Donc, vraiment, le ranching, c'est quelque chose, en tout cas, qui est moderne, l'élevage moderne. Et c'est à partir de là, même les partenaires, tous ceux qui veulent investir, préfèrent un élevage extensif avec ranching. Alors qu'ici, au Niger, jusqu'à présent, vraiment, nos éleveurs n'arrivent pas à comprendre cela. C'est la faute des autorités. Mais vraiment, on devait vraiment inculquer dans la tête de nos frères éleveurs l'affaire de ranching. Vraiment, c'est ça l'élevage, le ranching. Quand tu utilises quelques têtes de bétail avec ton petit moyen et avec même ce même bétail, tu peux le garder et pouvoir encore garder ta famille, améliorer les conditions de vie de ta famille, de ton ménage. Donc, c'est ça, en tout cas, le ranching est très important et plus bénéfique, économique. quels sont les inconvénients de ce ranching Bon, pour ce que ici les pasteurs expliquent, l'inconvénient pour eux, c'est quand tu vas aller peut-être prendre un espace de quelques hectares que tu vas clôturer, faire un château, quelques abreuvoirs. En tout cas, bon, cet espace-là qui sera clôturé. Et surtout, un espace où peut-être il y a un peu plus de paille, pour, euh, un endroit qui a de la paille pour le, le ranching. Donc, pour eux, c'est la petite clôture là qui les gêne. Il ne faut pas faire trop de clôture ou je ne sais pas, en tout cas, ça là pour eux, c'est comme une accaparation d'espace. C'est ça ce qui les gêne. Alors que s'ils avaient bien compris, ce n'est rien. Chacun peut avoir sa parcelle de terre. Le Niger est très vaste. Et euh, la partie élevage est très vaste, qui peut suffire à presque tous les Nigériens éleveurs. Mais seulement, ils n'arrivent pas à comprendre. Jusqu'à présent, ils n'ont pas compris son retard dans le domaine de l'élevage, ne sachant pas où bien tenant compte l'ancien pratique, l'ancien système, l'élevage intensif, qui est vraiment quelque chose, en tout cas, nous sommes complètement en retard ce côté pour le ranching. Mais c'est ça l'inconvénient du ranching chez eux, le pasteur maintenant nigérien. C'est-à-dire c'est le, petit espace là qui est clôturé, c'est, c'est c'est tout. Euh, êtes-vous au courant d'une loi sur euh, le système ranching Oui, bon, la loi, je me rappelle très bien, c'est ici au Niger, c'est au niveau Dapalak dans la région de Tawa. C'est là où le ranching avait commencé avec nos frères arabes, qui avaient commencé à clôturer certains espaces pour faire du ranching. Mais encore d'autres se sont opposés et que là-bas, au haut niveau, au niveau politique, il y a eu d'abord la loi qui avait autorisé le ranching et encore par après d'autres lois qui ont encore refusé le ranching. Ce qui a fait que maintenant même le ranching ne se fait pas. Sinon, s'ils avaient poursuivi la première loi qui avait autorisé. Maintenant, je pense bien que même nos frères et éleveurs qui n'avaient pas compris allaient comprendre et que ce ranching-là allait être euh, partout au Niger. Donc cette loi-là, elle dit quoi euh, qui interdit le ranching Bon, celle qui avait interdit le ranching, c'est-à-dire c'est des gens qui disaient, comme je vous le disais tantôt, leur terroir. quand toi, tu es dans ta zone et que quelqu'un là-bas, parce qu'il a un cheftel, vient clôturer même l'espace de ton terroir, peut-être même sans autorisation, parce que bon, un éleveur, qui un arabe qui a vraiment un gros cheptel, qui est riche, tu vois, donc peut venir prendre l'espace et maintenant le clôturer sans ton autorisation. Et ça, là, ça a mené vraiment des remous dans certaines communautés. Propos recueillis par notre correspondant Moussa Maman. Ce type de conflit est récurrent au Niger. Je parle du conflit euh, intercommunautaire. C'est l'un des objectifs. Comment y mettre fin C'est l'un des objectifs du Code rural Point fort, le schéma d'aménagement foncier au niveau des régions. Selon le secrétaire permanent du Code rural, Abbé Bazou Alou, ce schéma est censé mettre fin aux conflits intercommunautaires tout en évitant l'exploitation abusive de certains espaces. Il est très avancé à Dossou, Maradi et Tilabéry. Il sera opérationnel d'ici 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Abbé Bazou Alou. Le Code rural est un comité interministériel qui est composé de tous les ministres qui interviennent dans le secteur rural. On peut résumer euh, la mission en quatre points sécuriser les acteurs ruraux par la reconnaissance de leurs droits, contribuer à la protection de l'environnement, contribuer au schéma d'aménagement du territoire par l'élaboration d'un schéma d'aménagement foncier au niveau de, des différentes régions, contribuer à l'organisation du monde rural afin de leur permettre de protéger leur activité. Donc c'est vraiment en ça qu'on peut résumer la mission du Code rural. En cela, il y a des institutions de mise en œuvre. Comme je, je vous le disais, il y a au niveau national le comité national qui est des ministres qui interviennent dans le secteur et le secrétariat permanent où nous sommes présentement, qui est donc euh, chargé de la mise en œuvre des orientations du comité national. Au niveau des régions, nous avons le secrétariat permanent régional qui est chargé principalement justement de l'élaboration du schéma d'aménagement foncier. Et le schéma d'aménagement foncier consiste en, en l'identification des différents espaces de la région et les différentes vocations de ces espaces ainsi que les différents qui s'exercent sur ces espaces-là. Faire la part des choses entre les espaces agricoles, les espaces pastoraux, les ponts d'eau, les forêts, ainsi de suite, tout ce qui est ressources naturelles en milieu rural. Et le niveau départemental qui contribue justement à l'élaboration de ces schémas par l'identification de ces différents espaces au niveau du département, leur inscription au dossier rural, le niveau département euh, communal qui a mission au niveau de la commune, donc identifier les différents espaces, les, porter au dossier rural et transmettre les, les, les données au niveau régional afin qu'elles soient agrégées et prises en compte dans le schéma d'aménagement foncier. Alors on voit bien que le champ d'action est très vaste et aujourd'hui on se retrouve quand même avec un problème récurrent parce que on entend beaucoup ces conflits autour qui opposent les agriculteurs, les éleveurs. Dites-nous, depuis combien de temps ce problème il dure Le, problème, c'est la, dimension qui change. Mais dès lors où il y a euh, compétition vers la ressource, c'est normal qu'il y ait des, altercations. Mais bon, c'est la dimension qui change. Quand ça prend une certaine dimension, là, ça, préoccupe tout le monde, ça, ça attire l'attention de tout le monde. Et donc, à ce niveau, quand il y a un processus qui est mis en place. Il y a des procédures. Dès lors où on sait que l'agriculture, le levage, toutes ces activités ont besoin d'espace et c'est le même espace parce que bon, euh, si vous prenez le, Niger, la, limite nord des, cultures, tout ce qui est sud est à vocation agro-pastorale. Donc il y a des moments où les champs sont transformés en espace euh, pastoral parce que justement les champs sont libérés. Donc il y a des mécanismes pour prévenir et parmi ces, mécanismes, il y a d'abord la gestion de l'espace où on sait que bon, tel espace est à vocation agricole, donc donc voilà le, droit qui s'applique par rapport à ça. Tel espace est à vocation pastorale. Donc s'il y a euh, d'aventure parce que euh, normalement à la fermeture de champ, c'est exceptionnellement qu'on doit voir des animaux dans un champ c'est par inadvertance que cela doit arriver. Et donc si ça arrive, il y aura certainement des dégâts où les deux acteurs s'entendent entre eux, où ils font appel à un arbitre, un mensage, ou à un chef de village le plus proche, ou, éventuellement aller jusqu'à jusqu'au chef de groupement ou de canton, et à défaut de pouvoir concilier, euh, porter les affaires en justice. Donc c'est vous dire qu'il y a des mécanismes en amont de prévention. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours que ça, ça peut marcher. Et dites-nous, vous qui les rencontrez peut-être, pourquoi toujours euh, ce conflit Puisque selon ce que vous venez même de dire concernant les objectifs euh, du code rural, il y a vraiment une certaine répartition qui, en tout cas selon euh, ma compréhension, permettrait d'éviter ce genre de problème. Vous savez, c'est dommage, c'est dommage comme je, je, le dis, c'est euh, la limite humaine quelquefois, parce que bon, quelles que soient les, les précautions qu'on prend, il n'est pas toujours évident que les, que tout le monde comprenne. Il suffit malheureusement qu'une seule personne ne comprenne pas pour exposer toute la communauté. Quelle est la difficulté C'est une question de mentalité il faut revoir la mentalité, c'est l'immaturité d'esprit. Quand on sait qu'il y a quand même possibilité de trouver une solution à un problème, on n'a pas besoin d'aller à l'extrême. Donc il y a toujours un juste milieu. Ce que nous tentons de faire de manière itérative, c'est d'amener les gens à comprendre que quel que soit ce qui doit arriver, vous êtes condamnés, agriculteurs et éleveurs sont condamnés à vivre ensemble. Pour le moment, en tout cas, c'est, telle est la politique de ce pays-là, où il y a un certain moment, on dit les champs sont fermés. En dehors de ce moment, le reste, c'est la cohabitation. Alors à quel moment les champs sont fermés les champs sont fermés au début des, activités agricoles. C'est pour permettre aux agriculteurs de pouvoir euh, vaquer à, leurs occupations sans risque de voir leurs euh, semis euh, dévorés par les, par les animaux. Et donc ça veut dire en ce moment, les éleveurs n'ont pas le droit de s'aventurer dans, dans, dans, les environs. Tout à fait. Et là, tous les éleveurs le savent. Tous les éleveurs savent qu'à un certain moment, on ferme les champs et donc les espaces de mobilité des animaux sont les couloirs de passage, les enclaves pastorales, les heures de passage ou alors le Grand Nord, la zone pastorale. Quelquefois, malheureusement, ça arrive, c'est par négligence où les animaux peuvent être confiés momentanément à des enfants qui peuvent être pris euh, par, euh, par le sommeil ou en tout cas être un peu distraits, causer des, des, des dégâts. Là, c'est à ce niveau justement qu'on dit il y a des dégâts il faut réparer. Et il y a des mécanismes qui sont là, des mécanismes qui sont prévus, qui sont connus par les deux parties. Ces mécanismes, c'est quoi C'est des sanctions C'est des amendes Qu'est-ce que c'est Non, c'est un arrangement, c'est une conciliation. Plus on veut aller dans la procédure, plus on complique. Or, agriculteur et éleveurs a autre chose à faire que de venir se présenter devant l'autorité chaque fois. Donc il faut trouver un mécanisme de juste milieu qui permet à chacun de, trouver son, compte sans perdre beaucoup de temps qu'il peut utiliser à autre chose. Donnez-nous un exemple de, de, juste milieu ou d'un consensus trouvé entre agriculteurs et éleveurs. Parce que euh, on souhaite que les dégâts champêtres soient euh, qu'ils arrivent par inadvertance. C'est ça la sagesse que donc le, berger ait le contrôle de ses animaux. Mais ce n'est pas toujours évident comme je vous le disais quelquefois, ce sont des jeunes, ah, des jeunes qu'on doit le, troupeau. Et bon, le, jeune a aussi ses limites. Donc, par inadvertance, le jeune peut être amené à être distrait et les animaux se retrouvent dans le champ contigu à, aux couleurs de passage ou à, ou à l'enclave pastorale. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'évaluer dégâts. Et l'évaluation aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes. Non seulement entre eux, les deux acteurs, les deux responsables, ils peuvent trouver euh, un, juste milieu. Sinon, c'est de se conduire devant l'autorité coutumière la plus proche. Le chef de tribu, le chef de village, le chef de canton, le chef de groupement, l'autorité traditionnelle la plus proche, qui va tenter donc de trouver euh, un terrain d'entente. Là, normalement, il est flanqué euh, un comité paritaire. Et ce comité paritaire est composé d'agriculteurs et éleveurs ça permet vraiment de faire un transport sur les lieux, évaluer effectivement les dégâts commis, les évaluer et donner leur prix par rapport au marché. Traditionnellement, on sait à peu près que bon, sur un hectare, le champ doit donner tel nombre de bottes et tel nombre de bottes, ça fait tel nombre de sacs et le sac coûte tel si c'est du niébé, voilà ce que ça peut faire à peu près. Et s'il y a des, techniciens, cela aussi est possible. Il on a au niveau des, départements et des communes, les, agents des, services de l'agriculture qui peuvent prévoir le rendement par hectare pour euh, évaluer un peu ce que euh, ce qui peut être produit sur l'hectare. Si c'est la moitié ou le tiers de l'hectare qui a été euh, dévasté, voilà ce que ça aurait donné en saison en année normale. Et c'est ça qu'il faut évaluer sur le marché payé. Et avec tout ça, quand même, euh, des conflits arrivent où il y a vraiment euh, un bain de sang. On prend l'exemple d'hier à Bandi, ce qui s'est passé. Euh, est-ce que d'ailleurs vous avez peut-être des informations concernant ce qui s'est passé hier C'est justement ce que nous tentons chaque fois d'éviter, parce que chaque fois qu'il y a confrontation entre communautés, on ne peut jamais connaître jusqu'où ça peut aller. Ou une altercation banale entre des individus soit trans transférée au milieu de communauté, qui est vraiment une, une un trouble à l'ordre public et c'est ça que nous, on essaie d'éviter chaque fois, justement. Pour le moment, il y a quand même des, des plus, euh, des, des, voies mieux indiquées que la mienne pour le dire, mais dans tous les cas, la règle, <clears throat> je vous parle par rapport à la règle générale, la règle générale, c'est justement cette question de dégâts. Et comme c'est le plus souvent en zone isolée, si les deux parties ne sont pas tolérantes l'une vis-à-vis de l'autre, que ça ait trouvé une vieille bagarre entre les deux parties, chacun va vouloir aller dans le sens de la passion. Et c'est cette passion-là qui malheureusement train des comportements de ce genre-là. Alors, euh, est-ce que ces conflits concernent toujours les mêmes communautés, dit-on lesquelles, ou bien cela varie Nous, euh, notre préoccupation, ce sont des acteurs. En attendant, chaque fois qu'il y a une question d'activité à la coller à une communauté, et nous, notre mission justement, c'est d'éviter une activité soit liée à une ethnie. On parle d'activité, il y a activité agricole, activité pastorale. Il y a donc compétition sur l'espace. Il y a aménisation de l'espace compte tenu de la démographie, ce qui fait qu'il y a nécessité d'avoir besoin davantage d'espace. Et cela va se faire forcément au détriment de notre activité. activité c'est le plus souvent l'élevage, mais ça peut être aussi notre foresterie, le bien commun, parce que les, ressources partagées, ce n'est pas que euh, les espaces pastoraux, il y a aussi nos forêts, qui sont une question de protection de notre environnement, qui permet vraiment à notre environnement, notre écosystème d'être protégés. Mais malheureusement, l'agriculture, quelquefois, va au, détriment de ces espaces-là. Donc ce n'est pas seulement euh, l'élevage qui est menacé, c'est un problème démographique qui fait que bon, l'activité agricole va, nécessiter, va avoir besoin davantage de terres. C'est pourquoi le schéma d'aménagement foncier qui est envisagé est indispensable et urgent, justement. Alors, une dernière question. Vous avez parlé de mentalité en ce qui concerne les acteurs et aussi le Code rural. A-t-il pensé peut-être à, à un autre aspect aspect qu'il n'a pas peut-être euh, incorporé dans sa stratégie pour pouvoir éviter ce genre de, conflit À réfléchir les réflexions par rapport au code rural, ce ne sont pas des réflexions de maintenant, hein. c'est plusieurs décennies. Les réflexions ont commencé au début des années 80 et c'est parti justement de la question de cette question de compétition vers l'espace. Parce qu'à un certain moment, la gestion de l'espace s'était emballée. Et donc, ça a entraîné des conflits de part et d'autre, entre agriculteurs d'abord, entre agriculteurs et éleveurs, entre éleveurs. Donc, c'était justement, compte tenu des conflits récurrents qui, ont été notés à un certain moment, qu'on s'est dit non, il faut réfléchir sur ça. La première réflexion par rapport à la question de l'élevage, c'est en 1985 à, Et par rapport à l'intervention même de l'État en 1982 à Zender, en 1984 par rapport à l'environnement. Donc, en fait, ces préoccupations ne datent pas de maintenant. C'est seulement la dimension, la taille quelquefois, qui frappe. Or, justement, il faut prendre en compte le problème chaque fois qu'il se pose, pas seulement en, termes, de nombre de, morts. Non, non, ce qui peut entraîner mort, mort d'homme, là, il faut prendre des dispositions justement pour l'éviter. Et c'est ça qui a été voulu justement dans ces réflexions-là. Et c'est ça encore, cette question du schéma d'aménagement foncier. Mais dans tous les cas, il y a la question de la mentalité. La mentalité, là, c'est un autre problème. Je ne sais pas si on doit faire recours à des psychologues ou à des religieux. En tout cas, il faut trouver un mécanisme qui puisse amener les gens à comprendre que on ne peut pas vivre en, symbiose avec de tels comportements. Tant qu'on ne peut pas se tolérer les uns les autres, on ne peut pas cohabiter. Or, si les gens ont pu cohabiter des décennies, voire des siècles, ça veut dire que c'est faisable. Alors c'est à nous de revoir un peu le comportement. Abbé Bazou Alou, secrétaire permanent du Code rural. Autre point de vue, celui de Salia Marman, président de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM NIA. On l'écoute. Effectivement, c'est un problème euh, crucial. Aujourd'hui, on ne devrait pas arriver à ce conflit entre producteurs et éleveurs parce que nous avons, en notre structure organisée, qui est la structure des maraîchers. Nous avons aussi une structure à euh, Rennes qui s'occupe de l'élevage. Je pense que si ces deux structures, les met en contribution avec d'autres fêtières qu'il y a au niveau euh, de, du Niger, je pense que nous pouvons aider l'État à résoudre ces conflits entre producteurs et éleveurs, parce que nous sommes la même famille. Autour de quoi portent euh, ces conflits C'est généralement autour du non-respect des, des, couloirs de passage. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des couloirs de passage et il y a des zones de pâturage. Si ces zones de pâturage et ces couloirs de paille sont respectés, il ne peut pas avoir de problème entre les de conflit entre les éleveurs et les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font ça, souvent, on a constaté que ces zones de pâturage sont en train d'être réduites et que euh, la réduction de ces zones de pâturage, effectivement, ça fait en sorte que les, éleveurs, en cherchant le pâturage, euh, aillent accidentellement dans les champs des producteurs et que les producteurs ne peuvent pas supporter et qu'il peut y avoir des problèmes entre eux. vous parlez de réduction d'espace euh, de pâturage Par qui Comment cette euh, euh, réduction est en train de se faire Oui, nous avons constaté que aujourd'hui, il y a des espaces qui sont en train d'être occupés par des gros producteurs, des multinationaux, etc. Donc, qui réduit la capacité même de production des petits producteurs et en plus réduit les zones de pâturage des éleveurs, ce qui fait que l'éleveur ne peut pas rester voir son, son élevage disparaître, tandis qu'il y a le pâturage et les producteurs aussi ne peuvent pas accepter que les, les éleveurs euh, mettent leurs animaux dans leurs champs et c'est ce qui amène des problèmes. Vous, quelle est la contribution que vous pouvez apporter Très bien. La contribution que nous pouvons apporter, c'est surtout dans la sensibilisation. Vous savez qu'il y a deux périodes. Il y a la, le début de, de, de, la saison des pluies où les animaux ont faim et que c'est dans les champs seulement que nous avons ce pâturage-là. On peut organiser des mini-forums au niveau des différentes régions, au niveau des départements, avec la contribution des élus, euh, des élus locaux, les élus municipaux, les maires, euh, l'État, les organisations de producteurs. Tout le monde se retrouve et on écoute les, producteurs et les éleveurs pour que ensemble on puisse avoir des solutions pour que le respect de ces couloirs et le respect des zones de pâturage soit une réalité. Et aussi à la fin de la campagne, parce qu'à la fin de la campagne, là aussi, il peut y avoir des problèmes parce que déjà les gens ont récolté, les éleveurs sont précipités d'envoyer leurs animaux dans les champs où il y a eu des récoltes. Et vous savez que la récolte ne se fait pas en même temps. Il y a toujours des producteurs qui sont en retard. Et là, la sensibilisation peut, leur permettre d'avoir des dates exactes où on dit à partir de telle date, il faut que tous les producteurs débarrassent leurs champs de la production et que les éleveurs puissent envoyer leur, euh, leurs animaux dans les champs qui ont déjà été récoltés. Et en début aussi, on peut dire qu'à partir de telle date, tous les éleveurs doivent arrêter de pâturer dans les, dans, les champs. Donc, les organisations des producteurs, nous, nous sommes en contact avec ces gens-là. Donc, on peut intervenir dans la sensibilisation et dans le respect de ces couloirs de passage et de ces zones de pâturage. Alors, mais pour cela, le code rural est quand même là. Euh, et ce code rural a quand même un certain nombre de d'objectifs, des stratégies. Et selon vous, qu'est-ce qui donc pose problème si toutes ces structures, euh, toutes ces stratégies sont là Qu'est-ce qui cause aujourd'hui réellement le problème Effectivement, ces stratégies sont là. Ça, nous sommes, nous sommes, nous sommes convaincus ces stratégies sont là. Et même à travers le RECA, donc il y a un département qui travaille sur ce code rural. Le, problème où ça se pose, je te dis, c'est le problème d'incompréhension entre les éleveurs et les producteurs. Hormis ces sensibilisations, qu'est-ce qui pourrait être fait concrètement Donc, à part la sensibilisation, comme je les, options, hein. je dis qu'au début de la campagne, il faut que les gens s'asseyent, éleveurs et producteurs, on écoute ces gens-là pour que chacun puisse se libérer et dire voilà, voilà le problème. Et ensemble, on trouve des solutions pour éviter ces conflits. Et aussi, à la fin de la campagne, là aussi, la même chose, parce que c'est aux deux périodes-là qu'il y a le problème entre eux. Dans la majeure partie du temps, où est-ce qu'on retrouve ces conflits Dans quelle région ou dans quelle commune généralement ah, Ou bien c'est partout Bon, c'est des conflits qui peuvent apparaître partout, mais seulement c'est à des degrés différents. C'est pourquoi je dis que les gens ne doivent pas se fatiguer, les gens doivent continuer à dialoguer, parce que le dialogue peut résoudre tout le problème. On ne doit pas laisser tout le problème à l'État, parce que l'État ne peut pas être sur tous les fronts. Effectivement, c'est son rôle mais aujourd'hui, en tant qu'organisation, nous devons aider l'État à juguler ces genres de problèmes. Et je pense que les producteurs et les éleveurs, nous sommes la même famille parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir de production sans qu'il y ait l'élevage. Il ne peut pas avoir l'élevage s'il n'y a pas de production. Nous, aujourd'hui, en tant que maraîchers, nous utilisons plus euh, les déchets des animaux, c'est-à-dire les matières organiques pour nos productions maraîchères que euh, l'engrais. Donc euh, ça veut dire que nous sommes presque des cousins. On est obligé de travailler ensemble mais en dialoguant, on peut éviter les conflits entre nous. Et il n'y a pas seulement que les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, il y a euh, des conflits entre agriculteurs et agriculteurs, il y a un conflit entre éleveurs et éleveurs. Oui, bon. Les conflits les plus cruciaux, c'est surtout entre éleveurs et producteurs. Entre producteurs, ça, effectivement, ça ne peut pas manquer parce que même dans une même famille, il peut y avoir un conflit. La croissance démographique de notre pays est tellement galopante qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les terres ne suffisent pas. Et, et là, nous encourageons l'État à, le Niger et VAS à développer des stratégies pour aménager donc euh, des terres qui vont permettre à, délocaliser, c'est-à-dire que où il y a insuffisance de terres pour que les autres puissent euh, accéder euh, à, la terre. Est-ce que vous pensez que c'est des questions aussi de, communauté oh, Ah mais oui, parce que le, le premier acteur c'est la communauté. Donc c'est pourquoi nous avons dit associer aussi les élus locaux les maires, les chefs traditionnels, parce qu'aujourd'hui, ils sont les plus qui peuvent éviter ce genre de, de conflits. En parlant à ces éleveurs, à ces agriculteurs, c'est des gens qu'ils écoutent. Dans ces conflits, on remarque aussi quelque chose. Ces deux communautés qui s'affrontent, par exemple, les, Toubou et les Kanouris, pas plus tard qu'une semaine, un problème dans le nord du Difa. Hier, à Bandji, des Peuls contre et qui ont été aussi euh, ont eu un problème avec euh, les Hausa. Est-ce que vous pensez que c'est minime ou on ne fait pas attention à ça, à ce type de conflit ah Non, c'est des conflits qu'il faut éviter parce que les conflits entre communautés entre ethnies, ce pas des conflits qui arrangent un pays. Aujourd'hui, le Niger est, est, un pays où le cousinage est tellement important. Les gens sont les mêmes. Donc, euh, les petits, les petites brebis galeuses qui essaient de créer des problèmes entre les gens, ça, il faut qu'on prenne des dispositions pour qu'on puisse les éviter. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un conflit entre deux États ou bien deux communautés, ça n'arrange pas le pays. Le président de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, Salia Mamane, c'est donc sur une note musicale que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve euh, à la prochaine fois. Au revoir kwanciyar hankali cikin kasa shine arziki. Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais tu le fais une solution qui ne change rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agissons comme on a et hérité. Militons dans une femme, faite et unité. Si Niger rohizei, irmatun gabaçere. Niger.